le forum du studio le forum du studio Calambrou le forum du studio Calambrou le forum du studio Calambrou le forum du studio Calambrou le forum du studio Calambrou le forum du studio Bonsoir à tous, bienvenue euh, dans cette édition du forum du studio Kalangou. Studio Kalangou, qui vous, qui vous écoutez à travers le réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger. Le studio Kalango est également écouté à Arlit, à Chirozérine, Maynesoroa, Magaria, Tamaske, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. À suivre dans le forum de ce soir, deux acteurs culturels, un artiste et un cadre du ministère de la Renaissance culturelle sur le festival d'Angourmou et celui de Deloisé qui n'ont plus été organisés depuis depuis plus de deux ans. Les deux acteurs reviennent sur les raisons. Nous revenons dans ce forum sur la cimenterie de Malbaza dont les travaux sont au point mort. Nous aborderons également le Fonds pour la jeunesse africaine dont est porteur l'Union panafricaine des jeunes. Enfin, nous allons parler santé avec euh, Dr euh, Maman Hima pour nous parler de la lèpre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce forum que nous ouvrons par une page culturelle parlant du prix d'Angourmou et du festival d'Aloisé, deux événements culturels qui font la promotion de la musique moderne nigérienne. Cependant, depuis quelques années, ces manifestations culturelles peinent à être organisées. À propos, notre collègue Diallo Mariamakenda s'est entretenu avec euh, le secrétaire général du syndicat national des métiers de la musique SNMM Tangam Adamou Yakuba dit blackmailer. Il affirme que le retard dans l'organisation de ces événements pourrait en partie s'expliquer par des raisons financières et le manque de suivi. Le festival Tangourmou a été initié euh, à la suite de la demande des artistes pour pouvoir professionnaliser euh, la musique moderne nigérienne. Donc il y a plus de 20 ans aujourd'hui que ce festival a été initié. C'est à la mémoire d'un ministre artiste euh, traditionnel en Gourmou de la région de Tawa. Avant, ça s'organisait au niveau de la capitale, après ça a été décentralisé, mais depuis un certain temps, compte tenu de la décentralisation culturelle, donc le festival a été remis à la région de Tawa pour que ça soit la thématique développée au niveau de Tawa. Donc maintenant, c'est la région de Tawa qui organise euh, le festival en Gourmou, mais toujours en collaboration avec euh, le ministère de la Culture et les associations culturelles. Cette année, je ne sais pas si on avait pensais au début, on parlait de le faire cumulativement avec euh, euh, la fête tournante. Ça n'a pas eu lieu. Donc, depuis 2015, hein, je crois bien, oui, 2015, si ma mémoire est bonne, ça n'a pas eu un prix d'engourement. En principe, c'est chaque année ou au plus tard les deux ans. Mais je ne sais pas, peut-être c'est compte tenu de la rareté des ressources que l'événement n'a pas eu lieu. En cas, les difficultés ont commencé depuis que ça a été remis à la région, donc je ne peux pas vous dire exactement euh, ce pourquoi ça ne s'organisait pas. Ce qui a été toujours mis en avant, c'est euh, le manque de ressources. Donc, on attend voir l'année 2017 là, si ça sera organisé ou pas. Alors, euh, ce festival est-il vraiment important pour les artistes Quels sont les avantages de l'organisation de ce festival quelle est donc la portée même de ce festival Bon, le festival est vraiment euh, très très très important, euh, non seulement pour les artistes eux-mêmes, mais aussi même pour le pays, parce que euh, autant où on l'organisait sérieusement, c'est un rendez-vous pour les artistes pour se retrouver autour de l'événement. L'autre aspect, ça permettrait aux artistes de rejoindre, donc aux artistes nationaux, c'est stimulant pour leur permettre de travailler parce qu'ils savent qu'ils iront en concours. Et troisièmement, que c'est une occasion pour les promoteurs, pour les artistes, euh, de découvrir vraiment de, nouveaux talents. Et sur le plan international, est-ce que ce festival a une visibilité Bon, écoutez, au moins aujourd'hui, euh, la visibilité est vraiment timide parce que c'est la nature même de l'événement qui a fait que sa visibilité a été limitée compte tenu du fait que ça a un caractère euh, national. Mais depuis un certain temps, en 2006-2011, euh, nous, nous avons fait des réflexions et nous avons soumis au ministère de la Culture pour euh, permettre de lui donner un caractère international parce que pour nous, ça aurait dû être un lieu de rendez-vous des promoteurs, des producteurs, les invités pour voir les talents du Niger et probablement permettre même aux, artistes d'avoir des, producteurs ou, je ne sais pas. Et euh, citer, quelques, quelques-unes de ces réflexions Nous avons euh, proposer au lieu que ça soit juste un prix euh, d'Angourmou, mais que ça soit donc un festival gourmand Donc, euh, enlever le caractère national et transformer en festival. D'autres propositions que nous avons faites, c'est par rapport à l'utilisation des instruments traditionnels par les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire chaque groupe, nous avons voulu que le nombre de critères, que ça soit une exigence, l'utilisation d'au moins de deux instruments traditionnels parmi les autres instruments pour valoriser le patrimoine culturel national nest pas, donc au niveau des instruments. L'autre aspect, c'est aussi la proposition, c'est vraiment tenir compte de la qualité des œuvres pour que ça ne soit pas de la cacophonie. Nous, nous proposons maintenant euh, en tenir compte, ça n'est une autre chose. Est-ce que vous pourriez aussi nous parler du festival d'Aloésie C'est le festival euh, de la chanson féminine. c'est qui a été euh, allouée à la région de, de Donc, il met euh, l'aspect particulier sur euh, euh, sur la femme. Donc je crois que c'est surtout son caractère fondamental, valoriser le talent féminin en matière de musique. Et c'est qui les promoteurs de ce festival C'est une thématique du, ministère de la Culture qui a été remise à la région. Donc, euh, D'accord. si on doit parler des promoteurs, promoteur, <laughs> on va dire que c'est le ministère de la Culture qui est devenu aujourd'hui le ministère de la Renaissance culturelle. Et ce festival aussi, ça fait, ça fait deux, deux ans, trois ans qu'il n'est pas aussi organisé Oui, en tout cas, si ma mémoire est bonne, hein, parce que ces dernières années, si ça n'était organisé, euh, nous allons faire le déplacement. Ça fait effectivement euh, deux ou trois ans aussi que ça n'a pas été organisé, je pense, mais si ma mémoire est bonne. C'est que ce sont des thématiques, comme je le disais pour me répéter, qui ont été laissées aux régions et que, en termes de budget, les régions ont un budget très limité pour pouvoir prendre en charge ces événements et aussi les partenaires avec lesquels les régions euh, travaillent des fois et euh, ne s'émanent pas euh, tel que ça se doit. Donc ça met vraiment en difficulté l'organisation de ces événements-là. Je crois bien que comme dans une dynamique euh, de la culturelle, c'est de revoir ces thématiques-là puisqu'elles sont porteuses et voir l'accompagnement et revoir aussi l'accompagnement des régions pour qu'elles puissent prendre en charge ces événements en collaboration avec les communes et population locale. Adamou Yakuba Di Blackmiller, secrétaire général du syndicat national des métiers de la musique, interrogé par Diallo Maria Makenda. Et puis du côté du ministère de la Renaissance culturelle, l'on pense que la raison pourrait être le manque de compréhension des thématiques attribuées aux différentes régions par les autorités. Je vous propose de suivre notre entretien avec euh, Nuhu Karidjo, directeur des arts et des loisirs au ministère de la Renaissance culturelle. Le festival d'Angourmou, c'était pour le ministère euh, un cadre de création musicale de type moderne. Il fallait qu'on ait un cadre où les musiciens modernes vont s'exprimer en concourant donc il y a des prix qui sont là et c'était créé depuis 1986 qu'il avait eu ce prix euh, d'Angourmou qui a toujours été un cadre de concours pour les musiciens modernes. Alors depuis là, euh, ça s'organisait chaque année et puis jusqu'au moment où le ministère avait pensé qu'il fallait décentraliser les activités culturelles. Cette décentralisation des activités culturelles a fait que le prix d'Angourmou soit attribué à la région de Tawa tout comme on peut penser au festival d'Aloisé à la région de Tlaberi, le festival de ballet et chant à la région de Dosso, le festival euh, de la musique traditionnelle à la région de Maradi, le théâtre et l'humour à la région de Zender, le festival de l'oralité, contes, épopées et autres instruments à la région de Difa. À Niamey, où c'est pas encore installé, ça va être le festival des musiques africaines et à Agadez, le festival des musiques sahélo-sahariennes. Ah, c'est encore des projets, ces, festivals n'ont pas encore euh, démarré, ceux d'Agadez, de, de Difa Voilà, là c'est des projets, on n'y est pas encore arrivé. Est-ce qu'on peut savoir exactement pourquoi le festival d'Angourmou a été attribué à la région de Tawa précisément Oui, précisément parce que tout simplement, il fallait voir quelle région, c'est beaucoup de critères, hein, entre autres, mais que Dangourmi est originaire d'Ottawa. Et il fallait euh, remettre à César ce qui appartient à César, encore que Dangourmi était national et il continue à être national. Mais enfin, pour faire beau, pour faire euh, plus euh, intéressant, il fallait tout simplement essayer d'originer ce festival-là à la région d'Ottawa, parce que Dangourmi est de d'Ottawa. Alors justement, qui est Dengourmou Dengourmou, c'est une icône de la musique traditionnelle, pas un véritable parolier euh, que personnellement je ne connais pas trop bien, mais quand même que j'écoute, que tout le monde écoute, c'est vraiment euh, une de ces vieilles icônes de la chanson traditionnelle africaine, euh, véritable source de paroles, de sagesse, de proverbes, de tout ce qu'on veut en tout cas d'un Africain et d'un Africain d'un certain âge. Et plus de deux ans, si je ne me trompe, que ce festival n'a pas été organisé est-ce qu'on peut savoir quelles sont les raisons de, ce blocage Très bien. Au début de l'entretien, je parlais de, dotation des régions de, thématiques décentralisées. Quand on dit décentralisation, cela suppose qu'il y a la responsabilité aussi euh, de la région. Nous, dans notre entendement ici au ministère de la Culture, c'est-à-dire au ministère de la Renaissance culturelle, c'était de faire en sorte que les régions s'approprient ces activités culturelles, que ces régions les organisent, mais que le ministère vienne en appui. Et ça qui fait que, bon, quand la région n'a pas les moyens, elle n'organise pas. Et quand la région organise, nous, non seulement on leur apporte une assistance technique, mais aussi une assistance financière. Maintenant, ça dépend des régions. Une région aujourd'hui se décide, trouve les moyens de faire euh, sa thématique décentralisée, le ministère va l'accompagner, Inch'Allah. Alors si je comprends le, festival d'Angourmou, si euh, ça a pris du temps, c'est parce que euh, ça revenait aux autorités communales de la région de s'organiser pour que ce, ce festival ait lieu. C'est clair, c'est de ça qu'il s'agit, pas seulement pour le festival d'Angourmou, pour toutes les thématiques décentralisées. Il faut que ce soit les régions qui manifestent l'intérêt, que les régions mobilisent les fonds, que les régions donnent les dates, que les régions veulent les organiser et le ministère vient en appui. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque c'est des activités décentralisées, le ministère se dessaisit de l'organisation euh, de ces manifestations. Mais est-ce que, à votre niveau, en tant que ministère de titel, si j'ose dire, en matière de culture, d'art et de culture, est-ce que vous avez approché les autorités euh, donc de la région de, Tawa pour savoir ce qui bloque au niveau de, l'organisation de ces festivals Voilà. Donc pour nous, c'est pas une question de blocage. Hein. Pour nous, c'est une question d'organisation. Certainement que si les régions euh, sont de l'attente comme ça, c'est pas parce qu'elles sont bloquées, c'est parce qu'elles ont, elles prennent l'élan pour mieux sauter. C'est ce que nous espérons. Donc, si la région aussi bien de Difa, de Tawa, d'Agrès, etc., euh, les régions qui ont déjà été dotées de leur thématique, n'arrivent pas à réaliser certainement qu'il y a des raisons qui sont là, qui font qu'elles ne réalisent pas. Certainement, pour nous, c'est pour mieux sauter qu'elles font ça. C'est-à-dire, c'est des stratégies aussi. Elles sont en train de chercher les moyens, elles sont en train de chercher à encadrer. Mais il y a une chose quand même qu'il faut se dire, euh, et c'est une vérité, c'est que jusqu'ici, les gens n'ont pas bien compris, n'ont pas bien perçu la philosophie des thématiques décentralisées. Il y a eu des missions. Hein. Moi, j'ai conduit une mission sur l'axe Niamey-Difa. Le secrétaire général, en son temps, était le directeur général du patrimoine Il a conduit une mission sur l'axe à agrez Quel était l'objectif de ces missions C'était d'expliquer aux, responsables administratifs, aux populations en général, en tout cas à travers leurs représentants que sont les jeunes, les conseillers, etc., ce que ça veut dire les thématiques de ce que le ministère attend de ces régions. Mais bon, ben, malheureusement, euh, ça n'a pas toujours eu l'écho favorable. Bon, ben maintenant, vous savez, avec la conjoncture économique euh, internationale peu favorable, euh, on est obligé d'avoir certaines activités enveilleuses, Hein alors, il s'est dit euh, que le, prochain festival d'Angourmou aura bien lieu, mais cette fois-ci euh, à l'occasion de Tawa Sokola, qui aura lieu euh, le 18, le, décembre prochain. Est-ce que vous confirmez C'est une bonne chose, mais je, vous apprends que vous m'apprenez. C'est une bonne chose, je le souhaite de tous mes voeux, mais c'est pour moi une information. Donc, vraiment, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Alors, parlons du festival d'Aloisé. Et, ce festival aussi est, l'un des festivals euh, délaissés. <laughs> bon, disons pas délaissés. Nous, il n'y a rien qu'on a délaissé. Et les régions n'ont rien délaissé non plus. S'il y a problème, euh, s'il n'y a pas de, manifestation, s'il n'y a pas euh, ces festivals-là, certainement, c'est comme je l'ai dit tout de suite, c'est certainement c'est pour mieux sauter. C'est juste un recul pour mieux sauter. Donc, donc vraiment, le festival l'Ouest c'est la même chose. Hein. avait tenté un moment d'organiser. On leur avait dit, il n'y a aucun problème, organisez, mais dites-nous ce que vous, vous, voulez. Ils nous ont dit ce dont ils ont besoin, c'est l'appui. Et on leur a dit maintenant, qu'est-ce que vous, vous avez pour faire. Finalement, ça, s'est tombé comme ça à l'eau. Ce qu'ils avaient n'était pas suffisant Ce n'était pas suffisant. Et, et ce que j'ai dit, et je le répète, jusqu'ici, la philosophie des thématiques décentralisées n'est pas comprise. Est-ce que vous, ah, au niveau du ministère, vous ne vous sentez pas un peu euh, frustré de vous dire que, enfin, cette cette, euh, cette nouvelle notion de thématique décentralisée est, en train d'enterrer des, festivals Disons qu'on n'est pas frustré. Vous savez, euh, en toute chose, euh, il y a quelque part et quelques moments où ça va, ça donne très bien et des fois où ça ne donne pas. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de conjectures qui font ça, beaucoup de, de conjonctures, beaucoup de raisons qui sont là pour justifier certains comportements, certaines choses, n'est-ce pas Donc c'est pour dire que vraiment, euh, euh au niveau du ministère, nous sommes en train de réfléchir euh, par rapport à tout cela pour voir comment sauver tout cela, faire en sorte que rien ne soit de le naufrage. Parce que notre mission, parce que notre travail et notre honneur euh, y, est. Il faut nécessairement qu'on voie comment faire pour que, en tout cas, les choses qui sont intéressantes survivent et, et soient quand même des sources de, euh, de satisfaction pour tout le monde. Bah, c'est ça notre mission. Vous venez de suivre nous, Carillo, directeur des arts et des loisirs au ministère de la Renaissance culturelle. Parlons à présent de la jeunesse, notamment du Fonds des organisations que les organisations des jeunes sont en train de se battre pour mettre sur pied. Lors du dernier sommet Afrique-France tenu il y a quelques semaines à Bamako, Mali, l'Union panafricaine de la jeunesse, l'UPG, avait plaidé pour l'octroi d'un fonds conséquent pour la jeunesse africaine. Selon Alio Moro, président du Conseil national de la, jeunesse et également vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse, ce fonds qui sera logé à la Banque africaine de développement servira à donner une réponse adéquate aux préoccupations de la jeunesse africaine. Alio Moro, que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Mokhtar Hamadou. Il était question pour nous de mener le plaidoyer pour que le fonds africain pour le développement de la jeunesse voir le jour. Et pour nous, ce fonds va être du concret. Donc le plaidoyer a commencé depuis un an et demi. Nous avons rencontré les ministres en charge de la jeunesse des États africains qui ont accepté de soutenir ce fonds. Donc ça a passé au niveau de, l'Union africaine. Les ministres en charge des affaires étrangères l'ont adopté, en tout cas ont entériné la, la décision lors du sommet des chefs d'État à Kigali l'année dernière. Donc il était question maintenant pour nous d'avoir l'adhésion des chefs d'État, en tout cas la majorité des chefs d'État africains. C'est ce qui nous a amené à Bamako. Comme vous le savez, plus de 30 chefs d'État africains ont été et notre institution les a approchés pour avoir leur adhésion afin que, à la dernière Assemblée générale de l'Union africaine tenue, d'ailleurs euh, la semaine dernière à Addis Abeba, que dans l'agenda des chefs d'État, que ce fonds-là soit inscrit. Donc Dieu merci, vous avez vu euh, le nombre de chefs d'État qui nous ont reçus à Bamako, dont celui du Niger, que nous félicitons au passage, ont tous pris l'engagement de soutenir l'initiative. Donc, euh, dernièrement, au niveau du sommet, le fonds a été adopté. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire concrètement C'est-à-dire qu'à partir du moment où les chefs d'État ont donné leur cutus, nous travaillons d'ores et déjà avec la Banque africaine de développement qui est prête à loger ces fonds, qui est prête à nous aider à mobiliser les partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique, notamment l'Union européenne, en tout cas les États-Unis, la Chine, l'Inde, tous ces pays-là sont prêts à accompagner euh, ce fonds qui va permettre d'aider surtout les jeunes entrepreneurs, d'aider la jeunesse en milieu rural, d'aider les jeunes filles leaders, d'aider à scolariser la jeune fille et à la retenir jusqu'à un certain âge à l'école. Donc vous conviendrez avec moi qu'en tant que membre de, de cette institution, nous allons tout faire pour que les pays bénéficiaires soient les nôtres que la jeunesse du Niger soit parmi les premiers bénéficiaires de, ce fonds. À peu près combien vous voulez mobiliser pour accomplir cette mission Pour accomplir cette mission, on veut des chiffres à, plusieurs zéros. Pourquoi C'est-à-dire C'est-à-dire vraiment plusieurs zéros. Plusieurs zéros parce que euh, vous savez que les chefs d'État africains, étant conscients de l'importance de la jeunesse, ont inscrit comme thème cette année du sommet investir dans la jeunesse pour tirer le maximum du dividende démographique. Donc, on ne peut pas dire qu'on a besoin d'une telle enveloppe parce que la jeunesse est prioritaire et les jeunes ont beaucoup, de préoccupations que seuls beaucoup de euros peuvent résoudre. Donc, le fonds, il est ouvert. Le fonds ne veut pas mobiliser un million ou dix millions de dollars, mais le fonds reste ouvert pour qu'il y ait beaucoup de euros, en tout cas, afin que, afin que la jeunesse africaine puisse être épanouie que la jeunesse africaine puisse être accompagnée. Surtout, comme je le disais, nous avons 54 États. Vous imaginez que les besoins sont similaires, en tout cas dans tous nos pays africains. Il va falloir mobiliser suffisamment de ressources. Vous pensez que la jeunesse euh, constitue aujourd'hui la priorité de nos gouvernements Mais ça, je ne peux le nier. Je ne peux le nier vu au Niger l'importance que le chef de l'État accorde à sa jeunesse, vu les priorités que l'Union africaine s'était fixées cette année en faveur de la jeunesse. Il y a quand même euh, l'analphabétisme, le taux d'analphabétisme qui me euh, chaque année, le chômage euh, des jeunes, le problème de l'emploi, le manque de formation, surtout celle du supérieur. Vu tous ces problèmes-là, est-ce que vous pouvez compter sur les dirigeants africains pour le plein épanouissement de la jeunesse en Afrique Vous savez, il est grand temps que la jeunesse elle-même prenne conscience les dirigeants ne vont pas rester éternellement dirigeants, tout comme nous n'allons pas rester éternellement jeunes. Nous sommes les dirigeants de demain et le lendemain dont on parle se prépare aujourd'hui. Imaginez un peu le taux de fécondité dans nos pays. Si on ne le contrôle pas, vous conviendrez avec moi que nous allons gérer beaucoup de difficultés. Donc notre jeunesse est une jeunesse consciente qui a compris qu'il va falloir se ressaisir, qu'il va falloir toucher la jeunesse en milieu rural pour que nous contrôlions ensemble le taux démographique. La croissance démographique va tellement vite que ça nous amène tout droit dans le mur. Et cela doit être débattu en milieu rural qu'en milieu, urbain. L'Afrique, c'est le continent d'avenir. Mais l'avenir ne peut être assuré que lorsque qu'il y ait une forte alphabétisation de nos populations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'il y ait une éducation de qualité dans nos écoles, qu'il y ait adéquation entre l'offre et la demande. C'est pas aujourd'hui le cas. Tous ces défis-là nous reviennent. Donc les chefs de l'État vont nous tracer eh, le chemin. C'est à nous de savoir comment l'emprunter et de l'emprunter de manière responsable pour que demain, lorsque notre génération va se retrouver aux commandes, que nous ne soyons pas là à gérer que des difficultés. Parce que nous sommes dans un continent où tout est prioritaire. Malheureusement, tout est prioritaire. Donc il va falloir faire un choix judicieux pour que ce fonds-là puisse servir conséquemment la jeunesse africaine. Au lieu que l'explosion euh, démographique euh, soit une fatalité, pourquoi ne pas chercher à la transformer en une opportunité Nous n'avons jamais dit que ce n'est pas bien d'avoir une population importante, mais il va falloir aussi respecter cette pyramide des âges, ce qui n'est pas le cas au Niger. Vous prenez l'exemple dans les pays musulmans, la croissance démographique elle est contrôlée. Vous prenez la Chine, même s'ils sont un milliard. Imaginez que si on laissait chaque Chinois faire quatre ou cinq enfants, ça va être la catastrophe. Ça veut dire que l'économie chinoise n'allait pas euh, répondre aux besoins. Aujourd'hui, dans notre pays, regarde toutes ces infrastructures construites, les infrastructures scolaires. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Encore à Niamey, vous allez encore retrouver des, classes en part. Tout simplement parce que les choses ne vont pas de pair. Lorsque la croissance économique ne va pas de pair avec la croissance démographique, vous conviendrez avec moi que c'est des difficultés qu'on va gérer. Nous sommes conscients du fait que nous avons le pays le plus jeune au monde. C'est une très bonne chose mais il va falloir que ces jeunes-là puissent avoir chacun un emploi, puissent avoir une éducation de qualité. Et nous sommes loin nous sommes loin du rendez-vous et cette préoccupation, nous la partageons avec euh, la jeunesse nigérienne et je pense que personne ne va nous divertir en nous faisant croire qu'on veut diminuer notre population, qu'on ne veut pas que la islamique se multiplie. Ça, c'est un autre débat en tant que croyant, en tant que, en tout cas, musulman, je pense qu'il va falloir, parce que Dieu même l'a dit, il ne s'agit pas de mettre des enfants au monde, mais il faut prendre des dispositions pour assurer leur éducation, pour assurer leur santé, pour assurer leur survie. Donc le défi, il est énorme. Il faut d'abord qu'on accepte d'en parler, mais de manière vraiment responsable, et avoir aussi l'adhésion de nos leaders religieux et de nos leaders traditionnels qui, je suis convaincu, vont s'y mettre aussi pour que euh, cela soit réglé dans les meilleurs délais. Du 30 au 31 janvier dernier s'est tenu le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, rencontre qui a consacré l'élection du ministre des Affaires tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine et du président guinéen Professeur Alpha Condé comme étant président d'un exercice de l'Union africaine. Concrètement, quelles sont vos attentes nos attentes, euh, nous les avons clairement dit avant même les élections, parce que en ce qui concerne la présidence de la Commission, parce que nous travaillons plus avec la Commission, le président de l'Union africaine, c'est politique, mais le, gros du travail se fait au niveau de la Commission, donc au niveau, au niveau technique. Notre institution a eu de très bons rapports avec euh, Madame Zuma, qui a fini son mandat avant-hier et qui a même mis avant de quitter une euh, division jeunesse, ce qui n'existait pas par le passé. Deuxièmement, avant de quitter, elle a mis en place bientôt un envoyé spécial jeunesse va être nommé au niveau de la Commission de l'Union africaine. Notre souci, c'est que la jeunesse soit davantage écoutée. Depuis notre accession à l'Union panafricaine de la jeunesse, à chaque sommet des chefs d'État, la jeunesse à la parole, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc nous allons multiplier nos rencontres avec euh, le nouveau président de, la commission, qui d'ailleurs nous a approchés parce que tous les candidats ont approché notre institution avant les élections pour nous présenter son programme. Donc nous pensons qu'ils vont prendre en compte euh, les questions de la jeunesse, notamment les questions de l'emploi, les questions de la sécurité. Vous savez que le Sahel, euh, cet espace-là, aujourd'hui, vit des, problèmes très sérieux d'insécurité du à la secte islamiste Boko Haram, à Akimi et d'autres mouvements euh, terroristes. Malheureusement, ces mouvements, vous le savez, utilisent les jeunes. Donc il va falloir que la jeunesse soit occupée par des emplois sains, par des emplois permanents, qui va en tout cas les empêcher d'être enrôlés dans ces mouvements extrémistes. Il va falloir qu'il y ait régulièrement des rencontres avec le nouveau président de la Commission et les structures de jeunesse sur le continent pour prendre en compte en tout cas leurs préoccupations et ensemble euh, réussir son mandat. Est-ce que le défi des questions migratoires, le phénomène de la migration n'est pas au cœur de vos attentes euh, Je ne peux pas dire le contraire, parce que euh, surtout pour un pays comme le Niger, qui est un pays d'accueil, un pays de transit et de destination. Aujourd'hui, les frontières sont en train d'être fermées. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Je pense qu'il va falloir que les Africains se ressaisissent pour rester chez eux. Parce que euh, l'Américain a fermé ses frontières. Rien qu'avant-hier, l'Italie a donné 200 millions de dollars à nos pays, en tout cas le Niger en fait partie, pour bloquer les migrants euh, surtout cette immigration irrégulière, cette immigration sauvage, ces jeunes intellectuels, ces jeunes qui ont beaucoup de capacités, qui meurent dans le désert, qui meurent dans la mer, sans perspective, je pense qu'il va falloir que nos autorités s'épanchent aussi sur cette question. La liberté d'aller et de revenir est garantie, mais il faut que ces déplacements-là se font en toute régularité. Donc, effectivement, la question de l'immigration nous préoccupe, mais nous devons trouver une réponse euh, appropriée. Parce que dire aux jeunes de ne pas partir, c'est une autre question. Mais il va falloir aussi les, trouver des moyens et des solutions durables pour qu'ils puissent rester chacun chez eux. Ali Oumarou, président du Conseil national de la jeunesse, également vice-président de l'Union panafricaine de la jeunesse. Il répondait aux questions de Mokhtar Hamadou. 18 heures passées de 44 minutes, vous êtes toujours à l'écoute du forum du studio Kalangou qui se poursuit. La cimenterie de Malbaza, à présent dans la région de Tawa, démarrée il y a plus de 4 ans, la poursuite des travaux de cette usine semble être bloquée, raison des malentendus entre l'actionnaire principal, qui est un groupe indien avec 51% des actions, contre 49% pour les actionnaires locaux qui sont des Nigériens. Pour en savoir plus sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, nous avons joué au téléphone samedi dernier Maman Nourou, secrétaire général de la section sainte tramine de Malbaza. Est-ce que réellement les travaux sont achevés pour que la cimenterie de Malbaza puisse démarrer Pour répondre à cette question, en fait, la cimenterie n'est pas totalement finie. Donc, euh, pour vous rappeler, les travaux ont été lancés en 2011. Euh, par le président de la République, en euh, Monsieur M. Mamadou Issoufou, mhm. qui a fait euh, le déplacement express pour Malbaza. On peut estimer à combien de pourcents à l'heure actuelle le, niveau d'avancement de ces travaux D'après les, les, partenaires, les responsables indiens qui ont dirigé le projet, ils ont estimé à environ trois mois le temps des travaux. Mais après une expertise approfondie, nous pensons qu'avec euh, six mois de travaux, on viendra, là au, euh, au, bout de ce qui reste à faire. Parlons à présent de, de, cette affaire qui, a, qui défraie la chronique, notamment toujours par rapport à cette euh, cimenterie de Malbaza. Nous apprenons que pour le démarrement, que notamment le, le principal actionnaire, qui est l'Indien Wassem, mhm. exige des actionnaires locaux une rallonge de 7 milliards qui correspondrait selon eux à, des coûts supplémentaires. Hmm. Et euh, compte tenu de, cette situation, les actionnaires locaux ont décidé de, porter l'affaire en justice. Où est-ce que nous en sommes par rapport à cette situation et comment vous, en tant que euh, syndicat, vous avez accueilli cette euh, nouvelle de travaux en 2011 par le président de la République, les travaux ont pris un retard de 24 mois, environ deux ans. Pourquoi parce que, comme je vous le dis, les travaux sont faits en régie, en interne par les, nos partenaires indiens qui détiennent les, 51% des actions et la partie nigérienne 49% des actions. Mhm. Donc, euh, le contrat de travaux, comme ils ont la maîtrise de la technologie, leur a été confié. Et il s'est trouvé que bon, la partie nigérienne a exigé du, euh, euh, dans ce contrat-là, effectivement, qu'ils puisse euh, mettre en place un mécanisme qui leur permettra de, de savoir si tout est fait par rapport aux normes standards, je veux dire les travaux, et aussi leur permettre de faire le contrôle financier nécessaire. donc, cet état de fait-là a fait que la partie indienne, comme elle voudrait s'affranchir de tout type de contrôle, en tout cas, n'a pas répondu favorablement à cette euh, à cette requête. Et c'est ce qui a fait que les travaux ont pris sur retard de, de 12 mois. Et euh, donc, après ces 12 mois-là, euh, ils ont tenté de convoquer un conseil d'administration euh, avec comme objectif de, de, de faire le, le, le, PSA, le PSA qui était, qui était nigérien. Donc, nous, en tant que représentants de personnel, nous avons été mis au parfum de la chose et nous avons accouru à Niamey pour aller informer les autorités, vraiment qui ont pris, en tout cas, à l'époque, en charge cette affaire-là et ils ont, en tout cas, tout fait pour empêcher la tenue de ce conseil-là pour de faire le, le PSA qui est nigérien. Nous l'avons fait dans le seul de préserver les intérêts euh, des, travailleurs. Parce que nous sommes dit que si c'est un Indien qui viendra être mis en place, nous ne savons pas en tout cas euh, euh, ce qui allait se passer pour nous autres. Voilà pourquoi nous avons intervenu en tout cas pour empêcher la tenue de, ce conseil-là. Donc après la, convocation de, du conseil d'administration là que les, autorités ont empêché, mhm. donc je pense qu'il y avait eu une médiation en interne au niveau de la primature qui a rapproché les, les deux parties c'est ainsi que les travaux, en tout cas, euh, ont repris. Donc, pour vous rappeler, euh, l'investissement de, ce projet-là a été accordé par, euh, au niveau de la BOAD, donc avec un certain nombre de, banques, de, syndicats, donc à la hauteur de 28 milliards. Donc les, actionnaires nigériens, les actionnaires, euh, pour leur, contrepartie, ils ont participé à la hauteur de, 11, milliards. Donc c'est ainsi que vraiment les travaux ont commencé. Ils ont commencé jusqu'à le mois de février passé là, donc février 2000, 2016, où les banques ont notifié aux actionnaires que y a qui a été prévu pour euh, ce projet-là, cette enveloppe-là est utilisée, donc les 28 milliards, mhm. et y compris euh, une partie de la contrepartie des actionnaires à 8 milliards, donc il restait 3 euh, milliards. Et c'est ainsi qu'une réunion a été convoquée ici à Malbaza, qui avait regroupé les actionnaires nigériens et les partenaires indo-norvégiens, plus même les représentants des banques, plus les représentants des banques ici à Malbaza, et où en tout cas des, résolutions ont été prises. Et ces résolutions-là, c'est quoi Ça consiste tout simplement à le reliquat des 3 milliards qui restait comme contrepartie des actionnaires, euh, à faire euh, un appel de fonds pour les mettre en place parce que les travaux, le sein des travaux ont été estimés à 1 milliard 500 euh, millions. Mhm. Et l'autre partie de 1 milliard millions vont permettre qu'on fonde de roulement pour le démarrage de, l'usine. Donc, c'est ça qui c'est ainsi que, en tout cas, la résolution a été prise ici à Malwaza. Et puis, peu de temps après, nous avons appris que la partie indienne, en tout cas, a notifié à la partie nigérienne comme quoi que eux, dans le financement du projet, ils ont préfinancé pour 4 milliards 500 millions. Mhm. Et qu'il faudrait nécessairement euh, payer les, 4 500 millions avant de, finir le projet. En tout cas, c'est comme ça que le, programme a commencé. Ce n'est pas euh, une somme de 7 milliards qu'ils exigent Bon, tout ça là, c'est dans la cacophonie. Je suis en train de vous dire euh, les choses telles que officiellement écrites. Donc, après qu'ils ont notifié qu'il faudrait qu'on les paye les 4 500 millions, je pense qu'au niveau du ministère de l'Industrie, ils ont pris la main à main. Et, une autre réunion a été convoquée ici à Malabaza, donc à, sous l'égide du ministère de, l'Industrie. Mm. Mhm. Ils ont fait le déplacement ici à Malbaza avec euh, la partie euh, indien indienne comme nigérien. Est-ce que vous comprenez oui. Donc à ce moment-là, ils étaient venus avec euh, un interprète. de 4 500 millions, ils ont dit devant le ministre que non, non, non, le centre de travaux, il reste 7 milliards pour finir les travaux. Ils ont subordonné en tout cas la poursuite des travaux au paiement de, de, ce financement de, de 4 500 millions. Ce qu'il faut dire, c'est que le représentant d'abord le DG, SNC, le DG de la MCN, le responsable du projet, mhm. le, chef magasinier, mhm. le directeur financier, mhm. et tous ceux qui, euh, tous ils font partie de ce groupe-là, Le groupe indo, ah Tout a été fait en, base de vase clos, malgré euh, le cahier des charges qui a été exigé par le, gouvernement euh, quand il s'agissait s'agit de le, le code d'investissement. Donc, le, gouvernement du Niger a insisté sur un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est quoi pour ça consiste tout simplement mhm. à garder les emplois qui euh, existent et à impliquer le personnel dans, la, dans, le projet et effectivement à faire le transfert de, de, de, technologie. Malheureusement, pour ça, nous avons mis un comité en place en tant que représentant du personnel. En tout cas, la partie indienne a tout fait, a tout fait, tous les travaux, toutes les propositions qui sont issues de ce comité-là, mhm. que la direction générale avec le représentant du personnel ont, euh, sont mis d'accord pour mettre en place. En tout cas, tous les travaux qui ont issus de ce comité-là, ils ont été, n'ont jamais... Ils n'ont jamais été pris en compte Mhm. Donc vraiment, tous les travaux sont faits en bascule, c'est-à-dire euh, les machines qui sont installées. L'exécution du travail c'est une société togolaise, c'est un nous savons que c'est un mhm. C'est les sociétés togolaises qui sont venues avec des ouvriers et des, ingénieurs de génie civil euh, togolais euh, qui sont venus ici à Malbaza pour faire les travaux, y compris les mécaniciens, les électriciens, en tout cas tous ceux qui ont intervenu au niveau de ce projet-là. Du, coup, du, du coup, donc, la main-d'œuvre locale n'est pas utilisée, c'est ça la main-d'œuvre locale est utilisée, mais par rapport au nombre des Togolais qui ont travaillé, elle est, hmm. insignifiante. Parce que, euh, je vous ai dit, les sociétés là, c'est des sociétés, c'est des prêtres noms Est-ce que vous comprenez Même les travaux de génie civil, au fait, les sociétés qui ont servi, c'est des, des, sociétés qui ont, ont servi des prêtres noms à la partie indienne. Ça, nous savons parce que nous discutons avec euh, euh, les techniciens togolais, c'est eux qui nous disent, ils n'ont juste que le salaire euh, qu'on leur fait à la fin du mois. Mais euh, tout le contrat là, c'est eux qui ont pris ça, c'est la, partie indienne. Vraiment, c'est pour vous dire que tout a été fait en voie de boulot. Donc, euh, l'installation est faite, supervisée par eux. En tout cas, ils ont toutes les sociétés qui concourent, qui, font, qui sont dans la fabrication des, pièces et des machines des, cimenteries. Quoi. Donc, vraiment, ils ont commandé tout à travers l'or, ils ont installé, ils ont, ils ont tout fait. Et je vous dis qu'en euh, en tout cas, les, Nigériens sont écartés, en tout cas, de tout. Donc, euh, en tout cas, il y a eu un euh, faux usage de fonds, il y a eu des manifestations financières qui a été notifiées au DG. quand la partie nigérienne a signifié au DG son intention de porter plainte, donc le DG, comme vous le savez, il, a, il a fui. Et c'est ainsi que il a déjà pris euh, une nuit, en tout cas, il a pris principalement euh, précipitamment l'avion à l'insu de tout le monde. il est rentré euh, là-bas chez lui parce c'est un Norvégien. Et c'est ainsi qu'ils ont voulu remplacer le DG par le, fils de Rohit. donc c'est le Rohit qui est le fils du PDG du groupe indien. Hmm. Donc ils ont voulu le remplacer par lui. Il est venu en Amérique. Hmm. Lui-même, quand il avait appris qu'il est concerné par la, plainte qui a été déposée, donc du moment où il a pu, les est parti. En tout cas, c'est ainsi que le projet, en tout cas, de jour en jour, jour, euh, ce stoppé, c'est arrêté. Et petit à petit, ils ont pris le restant du personnel, les Togolais, les, Indiens, ils les ont transférés sur un chantier qu'ils doivent avoir en Côte d'Ivoire et au Congo. Donc euh, actuellement, le, projet, il est, il est en arrêt, mhm. euh, comme je, je vous l'ai dit. Vous venez de suivre Mahaman Nourou, secrétaire général de la section Centramine de Malbaza. Terminons ce forum par cette page santé. Le 29 janvier dernier, le monde entier a célébré la journée mondiale de la lèpre. La lèpre, une maladie infectieuse chronique due au bacille de Hansen, le mycobacterium lépré, qui affecte l'aspect physique et esthétique. Selon Dr Maman Nima, consultant en santé et environnement, l'on peut guérir de la lèpre sans séquelles à condition que la prise, à condition que la prise en charge soit précoce. Docteur Hima, que je vous propose de suivre, il revient d'abord sur les premiers signes de la lèpre. Il répond aux questions de Diallo Mariamakenda. La lèpre est une maladie infectieuse euh, chronique qui est due à un bacille qu'on appelle euh, Mycobacterium lépré ou bien le bacille de Hansen. C'est l'agent causal euh, de la maladie. La lèpre, c'est une maladie vraiment un peu à des causes, avec des connotations sociaux, culturels, euh, parfois religieux, et souvent c'est source de stigmatisation, puisque euh, c'est une maladie, euh, comme nous l'avons dit, liée à un bacille, mais qui n'est pas contagieuse en tant que telle, mais qui peut se transmettre par l'intermédiaire soit de la salive, des gouttelettes buccales ou des gouttelettes nasales. Euh, le grand problème qui se pose euh, au niveau de la lettre, c'est que c'est surtout au niveau de ses atteintes et de ses manifestations. Euh, je l'ai dit, c'est une maladie qui n'est pas du tout esthétique, elle est hideuse, elle touche la peau essentiellement, elle touche aussi ce qu'on peut dire les, les nerfs, c'est-à-dire les doigts, les orteils, etc. Ça touche les muqueuses des voies aériennes et dans certains cas aussi ça a des ressentissements l'appareil oculaire. C'est cette dimension de la transformation de l'individu, de son aspect surtout physique et esthétique, qui a fait que pendant longtemps, euh, ça a été des personnes euh, qui ont été souvent stigmatisées, euh, mises à l'écart, ou bien qu'on pense que, surtout en Afrique, que c'est souvent un mauvais sort sur la personne ou même sur sa famille. Il faut retenir simplement que euh, la complication que nous pouvons avoir de point de vue sanitaire, c'est, si vous voulez, le temps de latence, c'est-à-dire la période entre le contact avec euh, le bacille en question et les premières manifestations de la maladie. C'est-à-dire que le temps d'incubation est assez long. Même de manière précoce, il faut cinq ans pour commencer à avoir les premiers symptômes au niveau de la peau et parfois ça peut prendre énormément de temps, c'est-à-dire 20 ans même avant l'apparition de tous ces signes au niveau de l'individu. Quand on détecte ou quand les premiers signes apparaissent, on peut guérir de, la lèpre et éviter les transformations physiques euh, euh, qui sont donc les conséquences de, de la matérialisation peut-être de cette maladie. C'est une maladie dont on peut guérir. D'ailleurs, euh, en 20 ans, si mes statistiques sont assez bonnes que je retiens de l'OMS, on parle de près de 16 millions de personnes qui ont été guéries de la lèpre. Les médicaments existent et on peut guérir de la lèpre. deuxièmement, c'est quand même extrêmement important, donc les médicaments sont extrêmement efficaces. Et les différentes politiques de santé qui ont été mises en place ont fait chuter ce que nous appelons la prévalence, puisqu'on est passé euh, souvent, elle a diminué de près de 99%. C'est-à-dire les nouveaux cas sont de plus en plus rare, C'est une maladie dont on peut guérir et sans séquelles à condition que, bien sûr, la prise en charge Docteur, quels sont les premiers signes de cette maladie Les premiers signes, euh, c'est souvent euh, d'abord au niveau de la peau, donc euh, souvent des macules au niveau de la peau, des zones totalement insensibles, ou bien des transformations au niveau du visage qui font que la, il y a une forme de mutation. Non seulement la peau du visage change elle-même, la personne change un peu même le visage, elle commence à se transformer. Docteur Hima, consultant en santé, docteur Maman Hima, consultant en santé et environnement, interrogé par Diallo Maria Makenda. Et c'est ici que se referme le forum de ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour le forum de la presse. Bonsoir.